Et mariée et mère d'une fille, Samira Amadou fait partie des jeunes journalistes du studio Kalangu. A rejoint l'équipe numérique du studio Kalangu en décembre 2019, elle était loin de s'imaginer être une des journalistes incontournables du groupe. Par sa curiosité et son désir d'apprendre avec un stage de quelques mois, elle obtient un contrat de pigiste en mars 2020. Elle nous raconte comment elle a atterri au studio Kalangu. J'ai atterri à Kalangu au moment où l'équipe jeune était en train de beaucoup travailler sur des choses. Donc, euh, les membres de l'équipe jeune voulaient se consacrer sur l'équipe. Donc, on a fait appel à moi pour euh, remplacer Olivier qui était euh, chargé du site internet. Donc, c'est comme ça que je suis arrivée à Kalangu pour m'occuper du site internet et de rédiger des articles. Et après, j'ai continué dans le journalisme. À l'occasion de la journée mondiale de la liberté de la presse, le 3 mai 2023, Samira Amadou a été honorée par ce par un témoignage de satisfaction. La jeune mère nous exprime l'immense joie qui l'anime face à ces témoignages. Oui, j'ai reçu un témoignage de satisfaction par rapport à l'appréciation de mes supérieurs euh, sur euh, mon travail euh, et je vois vraiment ce que cela implique car seul le travail paye. À présent, mes tâches ici à Kalangu, je touche un peu à tout. C'est après son mariage que Samira a failli mélanger les pinceaux, mais grâce à son esprit de discernement, elle a su s'adapter, elle nous raconta. Ça a commencé à être compliqué après mon mariage, car à cause de ça, j'étais obligée de déménager après mon bébé parce que euh, je ne pouvais pas rester euh, dans un quartier où je ne connaissais personne. Euh, je crois que c'est bon. Le matin, quand on vient à la conférence de rédaction, on attribue les sujets et c'est de là que je fais mon travail ici. Et quand je rentre à la maison, je fais ce que j'ai à faire. Ce n'est pas vraiment difficile à concilier. Mustapha Mamansani, rédacteur en chef adjoint du studio Kalangu, est très satisfait du travail de Samira, une jeune journaliste exemplaire elle a quelque chose d'exceptionnel. C'est-à-dire, vous ne dites jamais à Samira la même chose deux fois. Euh, c'est vraiment euh, quelqu'un qui fait la fierté de la rédaction du studio Kalango, sur tous les desks. Elle est, vraiment, elle surfe sur presque tous les desks. C'est vrai que c'est un peu, on a l'impression que c'est un peu éparpillé parce qu'elle est dans tous les desks, mais en réalité, elle a sa façon de se construire la façon de s'organiser. Samira est aujourd'hui l'exemple parfait que la polyvalence reste la meilleure arme pour avancer dans la vie professionnelle.